forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolpel et Saï. Dans le forum de ce mercredi 21 décembre, nous allons parler éducation avec la signature hier soir d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement secondaire, SINACES, un protocole qui met fin à la grève qu'envisage d'observer le SINACES pour aujourd'hui pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Vous aurez les grandes conclusions de cet accord avec le secrétaire général du SINACES, Chimou Yahya. Puis un mot sur l'organisation de la dixième édition du FIMA de la semaine dernière à Agadez. Le thème c'était Éducation, industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Le promoteur du FIMA pense que cette dixième édition s'était très bien déroulée. En culture toujours, nous dirons un mot sur la quatrième édition des rencontres littéraires de Niamey qui s'était tenue du 11 au 17 avril dernier. Ces rencontres ont rendu hommage à Feu Boubouhama. Boubouhama était un poète, philosophe, historien, homme de lettres, plus d'une trentaine d'ouvrages à son actif et homme politique nigérien. Jean-Dominique Penel, ancien chercheur nous dira un peu plus sur lui. Nous terminons avec du sport et c'est pour découvrir une discipline peu connue au Niger, le triathlon. Pour en parler, nous recevons en direct dans ce studio M. Abdoulaye Moutari Chetima, directeur technique de la Fédération nigérienne de triathlon. mais avant le développement de tous ces sujets, nous allons d'abord à la place de la concertation de Niamey. C'est pour nous imprégner de ce qui se passe là-bas ou de ce qui s'est passé il y a un peu, il y a un instant avec la marche dite citoyenne organisée par plusieurs organisations de la société civile. La manifestation a commencé à la place Toumo pour la place de la concertation où elle a fini avec un grand meeting. Les manifestants sont sortis massivement. Alors, quelle signification faut-il donner à cette sortie massive L'analyse du professeur Yaya au micro de notre reporter qui était sur place, Mokhtar Amadou. Professeur Yaya, bonsoir. Bonsoir. Vous voilà actuellement à la place de la concertation. Quelle appréciation faites-vous de la manifestation d'aujourd'hui alors, je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que la manifestation a donné un monde fou. Euh, puis on voit, euh, on a vu euh, toute catégorie de personnes, des petits jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, qui sont venues, en tout cas, pour un peu manifester leur le bord par rapport à la manière dont le pays est géré. je crois que c'est une bonne chose qui devrait interpeller les pouvoirs publics. Maintenant, quelles leçons le pouvoir public doit en tirer au-delà après cette manifestation alors, vous savez, on est dans un régime d'auto-flagellation et d'auto-satisfaction, un régime qui pense que tout ce qu'il fait n'est que du bien, et je pense que euh, vu ce qu'il a eu, ce qu'il y a eu comme euh, foule, euh, ça ne devrait pas le laisser indifférent. Encore que faut-il qu'il soit responsable et conscient. Responsable et conscient, c'est-à-dire ça veut dire qu'il se soucie du bien-être de sa population, qu'il se soucie de la manière dont il devrait normalement gérer le pays parce qu'on est dans un régime où euh, la gestion est opaque, la gestion est mauvaise, elle est catastrophique. On a l'impression d'être dans une sorte de, de, de, monarchie, dans une sorte de... Euh, en tout cas, tout ce que la Constitution condamne, le pouvoir personnel, quand quelqu'un peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, on, est, on a mis de côté la Constitution pour diriger en fonction d'une coutume, je ne sais, socialiste ou euh, gouriste, je ne sais pas, mais ce n'est pas une, une saine gestion. Et ça, là, je crois que euh, il faudrait que ça change. Euh, professeur, euh, est-ce que ça, cette manifestation est une manifestation de la société civile ou une manifestation de l'opposition politique à ma connaissance, c'est la société civile qui a appelé à marcher. Maintenant, elle a demandé à tous les citoyens épris de paix, de justice, tous les citoyens qui aiment leur pays, bien parmi les gens de l'opposition, il y a sans doute des gens qui aiment leur pays. Parmi les gens du pouvoir, il y a sans doute des gens qui aiment leur pays. Peut-être c'est eux qui ont fait la masse à laquelle euh, on a assisté cet après-midi. Professeur Issouf Yahya, on vous remercie. Merci. Voilà le professeur Issouf Yaya analysant la manifestation de ce soir organisée par euh, la société, une partie de la société civile pour euh, réclamer euh, de bonnes conditions de vie. Et parmi les revendications, il y a l'éducation. Un bon système éducatif était au centre donc de cette manifestation. Et l'éducation, justement, avec ce protocole d'accord qui a réuni, qui, qui, a, qui a été signé hier soir entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement secondaire SINACES, un protocole qui met fin à la grève qu'envisage d'observer le SINACES pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Quelles sont les grandes conclusions de ce protocole, de ce protocole d'accord Je vous propose de suivre Yahya, il est le secrétaire général du SINACES. Tout d'abord, rappeler que nous avions déposé un préavis de grève qui est supposé aujourd'hui, un préavis de grève de euh, trois jours dans lesquels euh, nous avons mentionné quatre points de revendication qui sont pour nous les revendications les plus urgentes et les plus fondamentales pour les enseignants contractuels du secondaire. Alors, il y en a entre autres la question des arrêts de véhicules. Nous savoir que nos camarades un peu partout ont trois à quatre mois d'arrêt de véhicules qui nous a contraints à déposer la crée parce que quand on n'arrive pas à avoir les véhicule, on ne peut pas, bien sûr, se rendre au lieu du travail parce que le pétil, euh, c'est quelque chose qui est alimentaire et qui est normalement même non négociable. Voilà. Donc, le deuxième point se concerne euh, la question des mises en solde de nos camarades euh, recrutés au titre de l'année 2014. Le troisième point, c'est celui du lancement du recrutement au titre des années 2015 et 2016. Et ensuite, au niveau des quatre points, nous demandons au gouvernement de créer le cadre pour poursuivre les négociations autour de notre plateforme revendicative. Voilà, en quelque sorte, les points de revendication. Et tous les points ont été satisfaits Pas du tout, mais quand même, nous avons estimé que les taux de satisfaction est assez suffisant pour lever les préavis. depuis, en tout cas, l'année passée, nous avions déposé une dizaine de préavis de grève par rapport à nos revendications. Mais c'est la première fois que nous parvenons à un accord avec le gouvernement. Donc c'est parce que d'abord, par rapport à la question des paiements des arrêts de sécurité, nous ont rassurés qu'ils vont les faire au plus tard le 31 décembre. Ça a commencé et nous avons un œil par rapport à cela et nous continuons de suivre. Sinon, eh, nous pouvons revenir à tout moment eh, pour en tout cas continuer eh, la lutte si tel est peut-être l'engagement ne sera pas respecté. Par rapport au deuxième point du préavis, la question des mises en sol, ils nous ont aussi euh, rassuré que ça va se faire dans un délai raisonnable. Nous faisons les bénéfices du doute. Par rapport au recrutement, un comité déjà euh, en train d'être créé dans lequel nous avons demandé aussi euh, d'être membre pour essayer de contrôler et défendre les intérêts de nos camarades. Par rapport au dernier point, déjà un calendrier de négociation sur lequel les parties se sont entendues et nous estimons que c'est largement suffisant pour lever ces préavis. Alors, les pécules qui sont vos principales revendications ont commencé à être payées Oui, ça a commencé euh, principalement dans la région des Anders, pas dans tous le département, dans la, région de Tiladeri aussi, peut-être incessamment dans la région de, de Tout compte, nous continuons à suivre de près cette question parce que nous sommes euh, en contact permanent avec euh, nos formations régionales. je dirais je le répète euh, encore une fois de plus, en cas de manquement de la partie gouvernementale à respecter ces engagements-là, nous pouvons à tout moment revenir aux affaires pour en tout cas continuer la lutte au nom des intérêts de nos camarades. Qu'est-ce qui différencie euh, ce que vous avez obtenu, vous, de, ce que les causes et le SINASEB ont obtenu du gouvernement donner l'occasion une fois de plus de rappeler que les Finates, à travers une déclaration, s'est senti non lié au protocole signé avec Cause parce que ce protocole-là n'a pas pris en compte certaines de nos revendications les plus fondamentales, dont entre autres la question de mise en solde, qui n'a pas du tout été évoquée dans les dix communiqués, la question encore du recrutement des enseignants contractuels du secondaire au titre des années 2015 et 2016 n'a pas aussi du tout été évoqué, en tout cas avec beaucoup plus de précision. Et c'est pour euh, toutes ces raisons-là que nous avons dit que nous ne sommes pas liés à ce protocole. Est-ce que, au vu de ce qui s'est passé, la rentrée c'était depuis euh, septembre, depuis lors, euh, pratiquement, vous n'avez plus repris la craie. Est-ce qu'on peut sauver l'année scolaire 2016-2017 Tout dépendra de la volonté du gouvernement. Et je rappelle à ce titre que le président de la République au plus haut sommet est le garant de l'inquiétude aujourd'hui dans les systèmes éducatifs. Et c'est pourquoi nous lançons une fois de plus un appel à l'endroit du président de la République pour, en tout cas, conformément aux engagements qu'il a pris de faire de l'école, en tout cas, une de ses priorités. Et nous estimons qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires pour essayer de sauver cette année euh, académique qui, en tout cas, ressemble à une année blanche si on n'y prend pas garde parce que pratiquement euh, au premier trimestre, il y a des écoles dans lesquelles, en tout cas, on ne peut même pas parler de rentrée. Et si cette situation-là ne trouve pas de solution, nous estimons que le pire serait de se produire parce que nous, n'allons pas euh, baisser la garde de façon à continuer à revendiquer les intérêts moraux et matériels de nos camarades. Mais vous ne vous sentirez pas responsable de, euh, de la défaillance ou du moins de l'échec du système éducatif Nous, nous sommes en tout cas très soucieux de la stabilité au sein du système éducatif. C'est pourquoi nous avions toujours interpellé la partie gouvernementale euh, quand nous déposons un préavis pour nous donner une chance aux négociations. Et même avant de les déposer, souvent nous procédons à des interpellations. Mais malheureusement, euh, euh, nous avions tout le temps été en face d'une situation où, bon, on ne nous écoute pas du tout, ou bien on, on ne fait pas de ces préoccupations-là des préoccupations prioritaires. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les régions, les dépenses liées au paiement des PTT, les régions de Niamey, Maradi et Agadez qui n'ont pas fourni beaucoup de perturbations, nous avons estimé que cette situation-là a fait beaucoup de mécontents. Et nous, nous avons conscience que nous sommes en face d'une situation où en réalité il s'agit d'une lutte de classe. Les enseignants que nous sommes, les élèves aussi, nous sommes tous ici des familles défavorisées. Nous appartenons à cette classe-là prolétaire. Et nous avons conscience de cette lutte de classe. Et pour cette euh, question-là, nous, nous estimons que nous allons, euh, en tout cas, continuer à nous battre parce que si véritablement les problèmes des enseignants contractuels est résolu, nous estimons que la quiétude et la paix à l'école sera retrouvée parce que ces enseignants contractuels la constituent aujourd'hui plus de 25% des enseignants créés en main. Et si jamais on continue à appuyer leurs droits, leurs intérêts, nous ne pensons pas qu'on peut retrouver la quiétude au niveau du système éducatif. Donc, euh, vraiment, nous, nous restons debout par rapport à nos revendications. Nous allons terminer et je vous pose juste une question. Quels sont les échos que vous avez sur la vie de vos militants, les contractuels qui ont 4-5 mois d'arrêt de pécule Comment ils vivent La situation, elle est très grave au point où beaucoup de nos militants, en tout cas un peu partout, sont contraints ou, du moins ont été contraints de rejoindre les grandes familles par faute des moyens nécessaires pour qu'ils vivent. Et on dit que la famille est sacrée. Et voilà, c'est un droit constitutionnel. La famille est sacrée. Et voilà une situation qui contraint les paisibles citoyens à se séparer de leur famille. Nous déplorons cela et nous disons que c'est extrêmement grave dans un pays où en réalité les autorités doivent donner le bel exemple. Voilà une situation où des paisibles citoyens sont en train d'être exploités par leur propre État. Nous estimons que c'est extrêmement grave et le président de la République doit prendre les dispositions nécessaires pour en tout cas une solution définitive à cette question-là. Vous venez de suivre le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement secondaire, SINACES. Le SINACES a signé hier soir un protocole d'accord avec le gouvernement sur sa plateforme revendicative. que peut-on retenir de la dixième édition du FIMA, ce qui s'est tenu à Agadez en fin de semaine dernière C'est la question que nous avons posée au promoteur du FIMA, Alfadi. Eh bien, Alfadi pense que cette dixième édition s'est très très bien déroulée. Nous l'avons joint ce soir, écoutons-le. Ah, c'est très gentil de, de, me donner cette parole et surtout de m'interviewer. Merci encore Studio Kalangu. Ce que je, je retiens, c'est que le monde culturel, le monde entier, le monde d'Agadez, a accepté ce FIMA qui fête pratiquement ses 20 ans, donc 10e édition. Ce que je retiens, c'est que la population d'Agadez a été fière, a été content de revenir là où le FIMA a commencé. On a été applaudi, on a été aimé. Et les festivaliers ont été, ont été tous ravis de pouvoir vivre euh, cette expérience de la beauté, de la création et surtout d'amener la paix. Montrer que la paix est exceptionnelle et que la paix sur cette région où on croit que c'est une région un petit peu euh, dans le désert est une région de paix. Vraiment, je retiens la dignité des hommes et des femmes de là-bas. Je retiens euh, surtout que le gouvernement, euh, au premier plan le président, mais surtout Rissa Akboula, qui est le président de l'organisation du comité d'Agadez Sorni, qui a accepté d'accompagner le FIMA sur Agadez, ont été tous là et m'a donné une, une, comment une joie une joie de pouvoir réussir ce festival qui a été à 100% réussi. Vous avez parlé de paix. L'édition, c'est aussi le métissage. En quoi est-ce que le métissage et la paix ont gagné dans cette dixième édition, Alfadi Parce que notre thème était éducation, éducation et industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Parce que métissage, cette éducation, on est en train de construire la première université de la mode et des arts au Niger. On est en train de travailler sur, euh, sur euh, sur l'équipe d'industrialiser le savoir-faire des Nigériens, euh, donner une dignité au métissage, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Agadez est une ville métissée, l'Afrique aujourd'hui est métissée, et l'avenir de ce monde aussi est un avenir de métissage. C'est pour ça que nous, avons voulu faire tout ce combat pour que la paix soit durable euh, dans, ce, dans ce comté du continent africain et surtout au Niger. Donc euh, je suis certain que euh, cette manière de pouvoir voir les choses pour demain est une manière d'amener l'Afrique et le Niger très loin et donner de l'emploi, créer de l'emploi, lutter contre la pauvreté par la mode et par la création. Il y a eu un concours top modèle, un concours meilleur artisan, il y a eu aussi le meilleur bijoutier et le meilleur maroquinier. En quoi euh, ces gens, ceux qui ont été primés, ont été talentueux, si talentueux mais vous savez, euh, on a toujours fait depuis bientôt euh, 15 ans le concours du meilleur styliste et du meilleur euh, top modèle. Ça veut dire que nous avons toujours voulu honorer la jeunesse, amener la jeunesse au corps de notre combat, donner une chance à la jeunesse. C'est eux qui seront les grands créateurs de demain. Le top modèle, c'est les mannequins. Sans les mannequins, il n'y a pas de défilé. Les mannequins sur le côté européen, les mannequins sur les grands podiums des grands couturiers européens, toujours deux ou trois ou quatre noirs. Nous, nous avons voulu sortir aussi des de top modèle noirs. Donc c'était une manière d'honorer la création, d'honorer aussi la beauté africaine. Cette année, la nouveauté est qu'on a voulu mettre en exil, vraiment montrer que le Niger est un pays de bijouterie, et de maroquiniers. Et on a voulu aussi honorer le meilleur bijoutier nigérien et le meilleur cordonnier maroquinier nigérien. Il m'a honoré notre savoir-faire, notre travail, et c'était extraordinaire. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, euh, au Niger, on peut produire des centaines de milliers de bijoux et des centaines de milliers de cuirs euh, au niveau de, des sacs des bagageries. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne les honore pas, qu'on leur, donne une chance d'être les, meilleurs du monde pour qu'ils puissent aussi exporter leurs produits. C'est ça aussi le FIMA. Alfadi, c'est un grand styliste euh, de renommée internationale mais concrètement au Niger, qu'est-ce que vous faites pour les, stylistes euh, qui veulent émerger comme, comme, euh, à votre quand image. un concours, quand on crée un concours de jeunes stylistes, c'est pour leur donner leur chance. On ne pas leur donner, peut pas leur donner euh, de l'argent ou leur dire vous êtes des grands. Non, non, non, non, On fait un concours chaque deux ans de jeunes stylistes ou dans les 54 pays africains dans lesquels chaque année il y a plus de 300 jeunes stylistes qui viennent concourir, amener leur travail, leur, euh, leur savoir-faire. Le Niger aussi envoie toujours 10 à 15 dossiers pour qu'ils soient reconnus euh, dans, leur, euh, dans leur travail et avoir le prix que l'UMO a donné, de 2,5 millions cette année, comme premier prix. Donc le Niger aussi fait partie je fais tout pour la jeunesse nigérienne. Je les encourage, je suis avec eux, je les par... ils doivent participer à ces concours pour gagner, mais nous travaillons pour le continent africain aussi. On est aux côtés du Niger, mais on est, on est aux côtés d'un savoir-faire serein, un savoir-faire professionnel pour que les gens aillent à l'école, qu'ils apprennent et qu'ils soient des meilleurs stylistes du demain. Un styliste n'est pas uniquement celui qui va dans son, dans son garage avoir deux trois machines. Non, non, c'est pas un styliste étoile à l'école il faut apprendre, il faut avoir euh, un savoir-faire, il faut être professionnel dans, dans ce que nous faisons pour absolument le combat. Donc je suis au côtés des stylistes nigériens, ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent être euh, professionnels et gagner leur, euh, leur vie dans ce métier-là qui, où il faut tous les jours se, se, battre pour gagner le combat. Donc il suffit de taper à votre porte seulement. Hein. À taper à ma porte, je suis là. J'ai toujours des jeunes stylistes qui sont chez moi. <laughs> Il y a, plus de 250 à 400 qui sont sortis de mon atelier ici. Tous ceux qui se disent euh, stylistes à Niamey aujourd'hui sont passés par chez moi, qui ont fait des concours, qui sont passés faire des stages, qui est resté un an, deux ans, trois ans avant de quitter. Est-ce que vous vous êtes senti dans votre peau d'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix à à, cette édition-là Ah ben c'est fantastique parce que je suis quand même artiste et ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Agadez est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc dans ma peau, j'étais fier et heureux de pouvoir dire qu'on doit construire cette ville. On doit donner une dignité à la ville d'Agadez parce qu'il s'agit de paix, il s'agit de l'UNESCO, il s'agit aussi de la vieille ville d'Agadez. Donc, je suis, je suis allé rencontrer le sultan, je suis allé rencontrer les hommes et les femmes d'Agadez pour leur dire on doit travailler pour cette ville, l'améliorer, donner une dignité à la ville, amener la ville d'Agadez à, à une image internationale comme Marrakech, comme je l'ai toujours dit, amener Agadez à une ville comme Tombouctou, donner une dignité à cette ville, l'UNESCO est prêt à appuyer, l'UNESCO est, prêt à aider, et je suis prêt aussi à accompagner cette ville pour que cette ville soit une ville de paix, une ville de tourisme, une ville où tout le monde va venir visiter cette ville classée patrimoine euh, de l'UNESCO je suis avancé pour la paix, c'est mon combat et je suis obligé de continuer. Le combat ne fait commencer, euh, commencer et on va continuer. Même moi, Al-Fadi, je suis en train de chercher à m'installer en partie à Gadez, ouvrir la maison Al-Fadi à Gadez pour créer de l'emploi et aider les jeunes bijoutiers et maroquiniers aussi à pouvoir faire du beau travail. C'est le combat, en tout cas, je suis en train de travailler sur ça. C'est important pour moi. Au début hein, d'IFIMA, vous avez connu assez d'obstacles. Aujourd'hui, tout ça est derrière ah, vous ah, J'ai connu beaucoup d'obstacles, beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension parce que les gens n'ont pas compris ce que je veux faire. Aujourd'hui, c'est derrière moi parce que je crois que euh, le combat a été, reconnu, le travail a été reconnu. J'aime mon pays, j'ai envie que mon pays soit comme tous les pays du monde. Il n'y a pas de problème pour dire que euh, ce que nous faisons n'est pas bon. Ou, euh, ou, bien, mais ce que je fais depuis 20 ans, je crois que c'est pour amener mon pays dans la grande cour de la création, c'est pour amener aussi l'image de mon pays, pour montrer que mon pays est un pays de paix, un pays de tranquillité. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est derrière moi. Je suis fier de le faire, content. Et je vous remercie tous, tous mes amis, tous les gens qui sont venus, qui m'ont encouragé pour ce festival-là. Je les remercie. Euh, Studio Kalangou, d'autres euh, partenaires de presse qui ont compris l'intérêt de la mode. C'est très important, en tout cas, à mes yeux. Voilà, le promoteur du FIMA sur l'organisation de la dixième édition justement du Festival international de la mode africaine. Nous restons dans le domaine de la culture pour parler de la quatrième édition des rencontres littéraires de Niamey qui s'était tenue du 11 au 17 avril dernier. une euh, quatrième édition qui a rendu un grand hommage à Feu Boubouhama un homme du euh, Hama, c'est un poète, c'était un poète, un philosophe, historien, homme de lettres, avec plus d'une trentaine d'ouvrages et c'est aussi un homme politique nigérien. Il fut par exemple président de l'Assemblée nationale du Niger de 1958 à 1914. Qui est Hama nous avons posé la question à, à l'enseignant-chercheur Dominique Penel, qui est spécialiste de la littérature nigérienne. Boubou, c'est un historien, c'est un géographe, c'est un sociologue, euh, c'est un littéraire, c'est il a touché, si vous voulez, à tous les domaines, même l'esthétique par exemple, il s'est intéressé à l'esthétique. Vous avez chez Boubou, euh, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui concerne l'homme. Donc, euh, vous, à cause de ça, vous allez, il va toucher à, à l'ensemble des domaines de, de l'humain. Quels sont les domaines essentiels Alors, <clears throat> si vous voulez, ce qui ce, ce, ce, à partir de quoi s'organise la pensée de Boubou, c'est sa vision de, de, de l'être humain. Donc, premièrement, euh, tous les hommes sont l'homme, c'est-à-dire que l'espèce humaine est une. Il n'y a pas, même s'il peut y avoir des différences de couleur, de, de, de, de niveau social ou autre, l'homme humain est partout le même. Donc il y a une communauté humaine, quel que soit le lieu euh, d'où l'on parle et où l'on est. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la philosophie qu'il a de l'existence. L'homme vient de quelque part dans le temps et il est quelque part en fonction de ce qu'il a été et il va quelque part. Et ce quelque part, c'est où donc vous avez une philosophie de l'histoire et du temps, et c'est autour de ça que s'organise la pensée de Boubouama. Hein. On va quelque part, on vient de quelque part, on va quelque part. En quoi est-ce qu'il a valorisé, par exemple, l'homme nigérien L'homme nigérien, il l'a valorisé parce que euh, de, plusieurs façons. D'abord, l'homme nigérien, c'est l'homme. Vous allez trouver dans sa culture, dans son histoire, l'homme avec un grand H, tel que vous pourriez le trouver ailleurs. Donc il y a de l'humain partout, et si vous allez faire l'histoire d'une région d'ici, vous savez que Boubou a fait l'histoire des armes son rail l'histoire des Haoussa, l'histoire des Peuls, l'histoire des Touaregs, n'est-ce pas Donc il a, pas s'est pas spécialisé dans un domaine. Il a couvert tous les domaines et il essaye de voir comment les gens ont vécu avant, qu'est-ce qu'ils sont et où ils vont. Avec euh, Boubou, nous connaissons tous des Nigériens. De l'homme. <laughs> Et l'homme a des particularités culturelles dans, selon les lieux où il est, selon le moment du temps où il est, mais à travers ces manifestations qui sont des manifestations différentes. Par exemple, vous avez des langues différentes, vous avez des conceptions parfois différentes, mais il y a quelque chose qui est commun aux uns et aux autres. Vous voyez C'est donc ce, ce qui est commun aux uns et aux autres qu'il faut détecter à travers les différences culturelles, les différences du temps, etc. C'est quoi cette chose commune Eh bien, c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire euh, c'est un être qui est, disons-le franchement pour Boubou, qui est un être créé par Dieu et qui va vers quelque part, un chemin de l'histoire qui va aussi vers Dieu. En fait, c'est ça. C'est pourquoi Boubou n'aime pas ni euh, les conceptions de l'histoire qu'on appelle socialiste ou marxiste, n'est-ce pas, où on ne va pas vers une spiritualité. Il n'aime pas non plus le libéralisme tel qu'il fonctionnait à son époque et qui fonctionne encore plus aujourd'hui, où le Dieu c'est l'argent. Quelle est la spiritualité Quel est notre fond spirituel que nous devons développer parce que c'est notre nature d'aller vers vers vers cette vers cette ce divin en somme, si vous voulez. Hein. Pour Boubou, c'est Dieu le central. Je pense, oui. C'est-à-dire que euh, il y a un ordre de l'histoire. Vous savez, Boubou, il aime le passé, de où est-ce qu'on a trouvé les premiers hommes. Euh, qui était euh, euh, étaient. Il, aime l'archéologie parce que l'archéologie c'est le passé de l'homme. Il aime les manuscrits anciens parce que c'est l'homme qui a parlé de lui et des autres, etc. Donc il faut reconstituer ce passé antérieur pour comprendre le présent et pour savoir où on va. Il est décédé il y a plus d'une trentaine d'années. Oui. Qu'est-ce qui reste de lui Justement, donc, <clears throat> comme c'était un homme politique, vous savez, euh, ça, ça colle à la peau, n'est-ce pas Donc, il y, a, il y a un passé politique euh, qui n'a pas toujours. Il, s'est Pendant la période coloniale, donc, il y a l'histoire du RDA qui, qui, a lutté contre la colonisation française, qui s'est fait un moment euh, mettre en, <laughs> entre parenthèses, puisque vous savez que à partir de 53, le RDA euh, s'est affaibli, puis après il est ressorti. Donc, il y a un combat politique euh, jusqu'à l'indépendance, mais après, au moment de l'indépendance et après, vous savez qu'il y a eu des antagonismes politiques extrêmement forts, euh, violents, n'est-ce pas, entre le RDA et le Sawaba qui a été interdit. Ça, ça c'est le plan politique, oui, c'est le plan homme de culture. Qu'est-ce qu'on ce que je veux dire Ce que je veux dire, le problème pour pour comprendre Boubou, c'est que évidemment, il y a un passé politique qui qui a collé à sa peau, si vous voulez. Donc maintenant, avec le recul du temps, on a euh, on a plus de 30 ans, n'est-ce pas, de plus de 30 ans entre euh, entre, euh, euh, sa mort et aujourd'hui, n'est-ce pas Et donc maintenant, on peut évacuer cette dimension-là et, se, se, recentrer sur ses écrits. il n'est pas très connu à l'extérieur À l'extérieur, non. C'est vrai que des gens comme et tout ça, sont beaucoup plus connus que Boubou. Mais ça, c'est très nigérien. Le Nigérien ne se fait pas beaucoup connaître à l'extérieur. Hein. Et Boubou, qui était un homme qui aurait été considérable, aurait dû être dix fois plus connu que ce qu'il était. Merci beaucoup, Monsieur Penel. Voilà, vous venez de suivre un peu euh, sur ce que le grand tombe de culture Boubouhama, Hama, expliqué par l'enseignant-chercheur et spécialiste de la, de la littérature nigérienne Jean-Dominique Penel. Voilà, 18h43 minutes. Le dernier aspect de ce forum, euh, c'est du sport. Et ça, c'est pour découvrir une discipline peu connue au Niger. Peut-être que euh, M. Ablaï va me contredire. C'est le triathlon. Alors, pour en parler, nous avons en direct dans ce studio M. Abdoulaye Moutari Chetima, qui est le directeur technique de la Fédération nigérienne de triathlon. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir M. Et merci beaucoup d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, le triathlon, je disais que c'est très peu connu. Est-ce que c'est très peu connu Bon, en fait, ici à Kalangou, tout le monde connaît le triathlon parce que je, suis passé une fois euh, pour un peu expliquer. Allez-y. Euh, je pense que le triathlon, c'est. Allez-y, allez-y, C'est l'enchaînement de trois disciplines Trois disciplines, ah oui. À savoir la natation, la course à pied, et la course à vélo d'abord et la course à pied. Donc, euh, c'est une succession de, de, disciplines. Vous faites la natation, vous sortez, vous prenez votre vélo, vous faites une certaine distance bien déterminée, et après, vous déposez le le vélo, pour continuer à pied, pour faire la course à pied. C'est vrai, c'est une discipline récente parce qu'elle a intégré le JO en 2000 à Sydney. Euh, mais euh, elle est peu connue en Afrique, bien, bien entendu, parce que actuellement, euh, au niveau de, du continent africain, on n'a pas 30 pays qui, qui ont une fédération. pour le Niger, c'est cette année, c'est en 2016, précisément le 1er avril, que nous avons eu notre agrément pour créer la Fédération nigérienne des Triathlons. Et depuis ce temps-là, nous faisons d'abord beaucoup de communication pour que les uns et les autres comprennent c'est quoi cette discipline, à quoi elle consiste. Hmm. Mais euh, d'avril à aujourd'hui, je peux dire que nous avons beaucoup fait. Hmm. On va revenir à ça. Comment est-ce que c'est venu au Niger euh, Bon, comme toute fédération, euh, c'est des rapports d'abord. C'est des rapports parce que le président de cette fédération, il fut resté président du comité national olympique, le COSNI euh, lui, Monsieur, monsieur Talata, Talata. Voilà. Et ce sont des fédérations qui existent, mais seulement il faut qu'il y ait quelqu'un qui va oser et eh, créer. Maintenant, s'il arrive à avoir un agrément chez lui, maintenant il envoie cet agrément au niveau international pour qu'il soit reconnu comme euh, fédération, euh, comment on appelle ça, euh, comme une filière en tout cas dans son pays. Et vous, vous êtes directeur technique national. Je suis Comment vous êtes arrivé à euh, à, pratiquer cette discipline euh, bon, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas pratiqué. Mais je suis un spécialiste du sport parce que j'ai une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Euh, quand, la créa, quand euh, le projet de la création de la fédération a commencé, le président Talat m'a fait appel parce que j'ai travaillé sur l'olympisme. En fait, j'ai fait un mémoire sur le comité olympique national du Niger. Donc, pratiquement toutes ces, <laughs> tous les sports, j'arrive à m'en sortir. Donc, ils m'ont appelé et moi, de part, en tout cas, euh, mon bagage, euh, ce que j'ai appris à l'école, j'ai fait des recherches pour comprendre exactement euh, à quoi consiste. Maintenant, le monde est petit avec l'Internet, avec tout. Euh, j'ai pu rapidement retrouver l'historique, les différents règlements de cette discipline. Et partant de là, j'ai commencer à expliquer, à être en tout cas <laughs> l'ambassadeur de cette discipline au Mais c'est difficile de le défendre euh, bon, c'est, je, dis que c'est, rien de facile, hein, rien de facile, mais on fait avec. Et qui fait, qui fait le théâtre au Niger euh, Actuellement, nous avons euh, des clubs. Au fait, quand nous avons commencé, nous avons misé sur les forces armées au niveau de l'armée parce que eux, ils ont une discipline qu'ils appellent triathlon, mais qui n'est pas le triathlon officiel. Et ils font euh, la course à pied, le vélo et le tir. Donc, euh, ils appellent ça triathlon, comme ces trois disciplines. Mais donc, comme déjà ils ont cette notion-là, on a fait appel à eux. Euh, nous avons, au niveau de la garde nationale du Niger, au niveau des fans, au niveau de la gendarmerie, on a fait appel à la police aussi et il y a d'autres clubs qui se sont créés euh, par la suite. Il y a le club sahélien du Niger, il y a euh, Baleine Bleue, il y a le club Croco. Toi, le Niamey Le tout Le Niamey. Donc nous avons actuellement euh, sept clubs de triathlon à Niamey. Oui. Mais il faut dire que c'est des clubs qui sont à leur début nous sommes en train d'organiser ces clubs-là pour qu'ils soient vraiment des clubs euh, dignes de ce nom et des clubs euh, de triathlon. Rappelez-nous schématiquement le triathlon, comment ça se fait euh, Le triathlon, au fait, c'est, comment on appelle ça, l'enchaînement de trois disciplines. C'est un enchaînement d'endurance. nous avons la natation. On fait la natation d'abord, après la course, à la course à vélo et ensuite la course à pied. Mais il y a plusieurs distances. Il y a ce qu'on appelle les courtes distances, et les longues distances. C'est pas une discipline de, pour n'importe qui, hein il, faut, de euh, il, faut, un vélo. Voilà, il faut un vélo et il faut savoir courir à pied. C'est un sport de ceux qui ont les moyens Non, pas du tout, pas du tout. Je dirais euh, le problème peut-être c'est au niveau de la bicyclette, mais même là, euh, nous en tout cas la politique on a commencé ici, on a essayé de d'organiser des compétitions et en ce sens, on mettait des prix, en tout cas, qui peuvent permettre aux athlètes de pouvoir euh, euh, se payer, en tout cas, le petit matériel pour travailler. Par exemple, la dernière compétition qu'on a fait, le premier, il a eu 100 000 francs. Euh, avec 100 000, il peut s'acheter une bicyclette pour s'entraîner. Le deuxième, 115, le troisième, 50, etc., etc. Et ça fait la quatrième que nous sommes, que nous sommes dans notre quatrième compétition comme ça. Et moi, je pense que c'est pas un problème de moi, mais plutôt un problème de vous. Euh, c'est pas, c'est pas les moyens, plutôt la volonté. Quand on a la volonté de faire, euh, moi, je pense que rien n'est impossible. Et qui participe au triathlon au Niger euh, En tout cas, nous avons plusieurs catégories d'âge actuellement. nous avons les seniors, nous avons les juniors, c'est-à-dire de 16 à moins de 20 ans. Et nous faisons chaque fois, quand nous organisons des compétitions, nous, fait, nous faisons en sorte que d'impliquer les plus jeunes, c'est-à-dire de 7 à 10 ans, euh, des enfants qui ont 7 à 10 ans, on fait, nous, là, on leur fait ce qu'on appelle l'aquathlon. Parce que le, triathlon englobe d'autres euh, sous-disciplines aussi. Il y a l'aquathlon qui consiste à nager et à courir à pied. Il y a le, le diathlon qui consiste à euh, courir à vélo et à pied. Ça, la natation. Donc, et les petits-enfants, comme ils sont fragiles, on ne veut pas tout de suite leur donner des vélos pour pédaler, mais on leur fait l'aquathlon ils nagent, ensuite ils courent et euh, on les classe. Hommes-femmes Hommes, femmes, oui. Les femmes, c'est. Oui. C'est toute une euh, équipe ou bien c'est quelque oui. Euh, dans les équipes civiles, surtout, nous avons des, des jeunes filles, mais ils ne sont pas à un nombre assez important pour le moment. Mais nous sommes en train de créer les conditions pour que les filles aussi s'intéressent à cette discipline-là. C'est très difficile de faire connaître une discipline comme le triathlon. Euh, comment vous êtes arrivé à ces résultats Apparemment, vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà Oui, oui. Vous savez, euh, d'abord, euh, la stratégie, c'est de penser à communiquer. Parce que notre première arme, nous, c'était la, la communication. En fait, il faut communiquer, il faut que les gens sachent ce que c'est pour qu'ils s'intéressent. Et nous avons commencé par faire une démonstration, une compétition de démonstration qui a consisté à faire 750 euh, euh, mètres de natation, 20 km dans la ville de Niamey à vélo et 10 km à pied. On a sillonné la ville, c'était une démonstration, les gens étaient curieux, en tout cas ça a suscité une certaine curiosité et dès lors, les gens se demandaient c'est quoi. À peine ils prononçaient le triathlon, etc., etc. Mais finalement, les gens ont commencé à s'intéresser. Et petit à petit, nous avons euh, connu des, beaucoup d'adhérents qui viennent vers nous, des gens qui viennent, en tout cas d'eux-mêmes, qui s'inscrivent pendant, euh, pour les compétitions de façon individuelle. Euh, et c'est parti comme ça. Mais comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a nagé dans dans un club, euh, enfin, quelque part, et qui ressort sur, sur un vélo. Non, il y a, au fait, pour une compétition, nous, par exemple, ici, pour une seule compétition, je mobilise au moins 65 personnes. Comme membres jury et bénévoles. Ça, c'est le minimum. Hein. Et même là, c'est parce qu'on est limité par les moyens, sinon ça dépasse. On peut, c'est une, c'est, c'est, c'est, tout toute logistique qu'il faut mobiliser pour encadrer ça parce que il y a le jury de natation qui est là. Eux, ils sont là pour compter les tours des nageurs et chacun a un nageur à sa charge. Il coche le nombre de tours et dès qu'il sort, il y a le jury de course à vélo avec un chef juge qui gère la compétition de, de, vélo quand ils vont déposer le vélo. Et là où ils déposent le vélo, c'est ce qu'on appelle la zone de transition. Là aussi, il y a un dispositif qui est là. Il y a des gens qui sont chargés de contrôler comment rentrer, comment sortir de cette zone de transition-là. Où est-ce qu'il faut déposer le vélo Parce que quand tu prends ton vélo à la place 5, tu dois le ramener à la place 5. Tu dois, si tu le déposes quelque part, tu es disqualifié. Mais apparemment, hein, le, triathlon a de beaux jours devant lui. Bien sûr. vous avez participé récemment euh, au tournoi international de Dakla, au Effectivement. Combien d'équipes euh, On est parti avec deux athlètes, deux ah. triathlètes. Deux, triathlètes. Deux triathlètes. Qu'est-ce que vous avez comme résultat Bon, écoutez, par rapport à, avant de venir à la compétition, au fait, tous ces efforts-là nous ont valu, en tout cas, euh, de la part de la Fédération internationale de triathlon, un stage. Euh, nous avons bénéficié d'un stage euh, dans le mois de septembre où on a formé 24 activateurs de triathlon ici au Niger. Et c'est de là qu'on a commencé vraiment à connaître de façon concrète, en tout cas, les différentes compétitions qui peuvent être organisées sur le continent. Et euh, récemment, la Fédération royale marocaine de triathlon, euh, de sport pour tous plutôt, nous a envoyé une invitation pour assister au triathlon international de Dakla. Et là, rapidement, nous avons organisé une compétition à l'issue de laquelle nous avons sélectionné deux, le premier et le deuxième. Le premier, c'est Issouf Chebou, il est de la garde nationale du Niger. Et le deuxième, il s'appelle, il, s'appelle Sani Burema. Uniquement des hommes Des hommes, oui, des hommes. Il n'y a pas eu de femmes Il n'y a pas eu de femmes parce que... Elles ne sont pas euh, non, au fait, euh, c'est vrai, il faut, on est parti pour participer, mais il ne faut pas aller pour euh, se ridiculiser. Il faut amener des gens qui, dont nous sommes sûrs qu'ils peuvent au moins tenir les distances, parce que nous sommes en début, effectivement. Nous ne sommes pas partis pour chercher une place là-bas. Non, nous partons pour apprendre. C'était ça l'objectif. nous avons fait les déplacements, tout s'est bien passé jusqu'au jusqu'à la compétition, mais la mauvaise donne en fait, c'est que nous on n'est pas parti avec euh, des matériels, on n'est pas parti avec nos vélos. Et pourquoi Parce que vous n'avez pas les moyens ou bien Non, non, euh, on a les vélos, mais quand même, eh, les vélos qu'on a euh, ici, c'est des vélos dont moi, personnellement, de façon technique, je ne suis pas en tout cas convaincu que ces vélos peuvent répondre à une compétition d'envergure internationale. Donc nous avons saisi l'organisation avant de partir pour leur demander est-ce qu'il y aura des vélos qui peuvent être à notre disposition pour l'organisation, d'habitude dans des compétitions internationales, soit vous partez avec vos matériels ou vous trouvez les matériels sur place euh, déposés par l'organisation. Ils nous ont dit qu'il y avait effectivement une agence qui amène des vélos pour location. On a dit qu'il n'y a pas de preneur. Mais malheureusement, l'agence a calculé parce que Dakla se trouve à deux heures de vol de Casa c'est une ville qui est vraiment très éloignée. Mm. <laughs> Donc, euh, ils, ont, ils ont jaugé, ils n'ont pas pu, euh, comment on appelle ça, déplacer les vélos. Et malheureusement, nos deux euh, triathlètes n'ont pas pu compétir. Donc, la fédération n'a pas les moyens, comme les autres disciplines oh, Notre fédération Oui, la fédération de triathlon nigérienne. les moyens de, de, de, payer les vélos Oui, les, vélos. non, on a payé les vélos récemment. On a payé 20 de bonne qualité C'est des vélos pour des entraînements en fait, ce ne sont pas des vélos qui peuvent nous permettre de faire une compétition. Parce que pour faire une compétition, les vélos sont. Il y a un comité qui suit, qui regarde si vraiment euh, la bicyclette répond euh, euh, aux normes pour permettre aux athlètes de monter. Mais nous sommes sur la voie de chercher en tout cas une, deux ou trois bicyclettes qui vont être consacrées uniquement pour, comment on appelle ça mhm. Oui, beaucoup de disciplines se plaignent qu'il n'y ait pas d'aide notamment de la part du gouvernement Est-ce que vous, vous êtes d'abord connu et puis est-ce que vous avez des soutiens Oui, nous sommes connus parce que euh, nous sommes euh, une, fédération, oui. Euh, est-ce que l'État vous aide Ça, c'est général. Hein. Moi, je pense que c'est un débat. <laughs> c'est un débat qu'on connaît et qui ne mérite même pas d'être posé. Moi, je pense que par rapport à, l'appui de l'État, si on va compter sur l'État pour développer une discipline au Niger, elle ne sera jamais développée. Donc, vous avez la volonté. depuis qu'on est créé, personne ne nous a donné un franc parce que l'avantage que nous, nous avons, nous avons très vite compris qu'il faut chercher soi-même ses moyens. Vous avez la, volonté. nous avons la volonté et nous avons cherché un sponsor. Nous avons un sponsor qui nous appuie et c'est avec euh, ce sponsor que nous faisons toutes nos activités. Et comment, en un mot, comment vous l'avenir du triathlon Le triathlon a des beaux jours devant avec la lutte, le football euh, En tout cas, nous, euh, disons ceci, euh, notre objectif, c'est de faire du triathlon l'un des sports, en tout cas le plus populaire. Et c'est possible. Et c'est possible parce que euh, d'abord c'est les hommes avec leur engagement. Nous, nous, nous avons euh, la, volonté. Et nous sommes des gens qui. On, a plein d'expériences. Moi, j'ai fait le volet, j'ai fait l'athlétisme. J'étais entraîneur de volet, j'étais arbitre de volet. j'ai On, a, on, a, fait tout, on connaît tout. Et on sait comment se débrouiller. D'accord. Donc, euh, moi, je pense que euh, nous avons plein de projets qui feront que, en tout cas, dans les années à venir, le triathlon fera parler de lui. parce que dès, actuellement, je pense que nous avons été classés troisième de par les différents efforts euh, de la Fédération nigérienne. Il n'y a que trois pays africains qui ont participé à cet événement-là, sur 27 pays. Voilà. Alors, bonne chance. Et bon courage, Merci Monsieur Abdoulaye Moutari Chetima. Vous êtes le directeur technique de la Fédération nigérienne du triathlon. Nous avons parlé du triathlon qui est peu connu au Niger, mais qui a de l'avenir, euh, à bien vous comprendre. Merci beaucoup d'être venu. Et c'est la fin de ce forum à 18h59 minutes. On se retrouve demain pour d'autres thématiques. Bonne soirée.